ñu ngi ci doon waxtaan balé passé mais vous étiez pas sur le plateau muy li nga xamante modi walu di wàllu euh, mi nga xamante mi ngi fële ci UNICEF te ñu ci bëri nee nañ pour mu am li nga xamante modi popularité bu mu amone il faut que Demba mu mu mu mu def effort tout gagner, ki nga xamante modi prochain euh, euh, adversaire am waaw je pense qu'il est toujours populaire hein, maintenant. Euh, pour mu ah mais c'est d'accord, ak yow de. mais Sène nee na Balla champion. non beaucoup. xam nga tu peux tu peux ne pas gagner et toujours être populaire parce que ni le bug, manam mhm. euh, dañ lay continuer tamit euh, di le bug quoi parce que bug nañ la euh, dem nañ ba du sa ndam li rek lañ bëgg mhm. mais sa personnalité ling fi def certains seront même nostalgiques dañuy wat di dem di sétani wat Gaye YouTube ancien combat am non donc parce que bug nañ ko maintenant benen affaire bi est-ce que nekkati na champion wa lolu mën nañ ci 17 mën nañ ci am manam euh, doute mun nañ ci am débat parce que euh, bu demee Boy gagné ko euh, Bombardier tamit gagné ko donc ces dernières sorties vraiment laissent à désirer mhm. et même état physique état forme ça laisse à désirer Si on boo mu génération ak Lac de guerre bok génération ak modulo Lo nga gis ñooñu forme athlétique waaye moy de vrais athlètes ñu ko yor ba lé gis nga modulo il est il est il est toujours nous mu il euh, ba léegi mu ngi parce que en fait entraînement pur le Mossadef. a bon les gens lui ont reproché par le passé je ne sais pas si c'est exact ou pas si vraiment il a bu des trucs pour mun am Ben volume bu ngand mais en tout cas on a vu à un certain moment euh, surtout bu muy commencer Dougou, commencé dugg ci cercle VIP yi mooy bi muy bëri ak Tyson bi mu ak on a vu mu jël ben masse soudain ben masse bu ngand comme guy tamit et

mu war a bëre mu dem INSEPS presque cinq mois. Mhm. toj affaire yi amaat doole. mais dafa daan modlo comme xale. daan bi mu daan mais. chute boobu noonu chute chute chute bu yéeme la da nga am doole moo xëy parce que daf ko jàpp travailler ko yëkkati ko. ëlbati ko daaneel ko. te boo gisee modlo nu mu instant bi nga xam ne ko ko def da nga am parce que modlo ñu ko daan bëriwul de. déedéet te apparemment sax loolu bokk na ci chute yu ko gën a métti ci carrière mais da koy métti parce que chute bi dafa dafa dafa métti et gëm naa ne euh, dootul am peut-être mooy euh, force physique d'antan mhm. parce que mu ngi jëm mag euh, xam nga boo ñemee commencé ñam lu neex xam nga dootoo mën ñeme yenn entraînement yi. Mhm. mais je sais que bu demee INSEPS dafa cinq mois entraîné normal ñu bëri ci arène bi duñ ko yab de. <laughs> Ah, en tout cas euh, euh, certains sont d'avis avec toi ngi également chaque matin ils sont au rendez-vous tu ci 9 TV tu as fi 10 ci émission bi yow dama dencal mbaxus bu Rewmi TV di nuyu euh, Ousmane Kao mon tamit il est tous les jours au rendez-vous on voit ces ces interventions yi nga def merci à toi de nous faire confiance merci à Mame Diat Diop que je connais très bien je te salue de passage et merci d'être au rendez-vous di là ki nga xamante ne moo di suñu invité Mounir noo gisee état physique bu Balla Gaye nee nañ mi ngi UNICEF en ce moment di def li nga xamante ne entraînement mais est-ce qu'il reste toujours le champion qu'il était auparavant En tout cas, code de popularité, parce que moi le golf, je peux dire que Marc balle est presque code de popularité, et je pense qu'en euh, dehors du fait que vous êtes un lutteur, 7, il a perdu du terrain, aux le sur le plan sportif, mais euh, personnalité, les gens l'adorent toujours, parce que quoi qu'on puisse dire, gars n'ont pas Balla Gaye mooy làmb dëgg la Balla Gaye même bu doon bëre yow daal lay jaay combat bi show avant combat et tout le monde s'y intéresse finalement. ça c'est vrai donc aujourd'hui on va pas dire que le champion parce que tamit dafa mel ni tey que tëj deux défaites nga champion on champion on l'est c'est vrai on peut perdre des capacités physiques et tout athlétiques mais il reste le champion qu'il est hein, je pense que bëre bi nekk si moom liggéeyu ko c'est un don et c'est naturel. Mm-hmm. et que ku gis nu def euh, ci combat d'antan yi nga xam ne euh, ndaran la. Mm-hmm. donc je pense que bu liggéeyee nango liggéey def li war bu ñëwé du doyé mm-hmm. ah, ah, en tout cas il est en train de préparer li nga xamantene modi euh, prochain combat ñepp gis nañu état ku peut-être Balla dafa indi indiwaale peut-être ben un peu masse de graisse ñu bëri ñi ngi koy ŋàññ ci masse bobu mais il est retourné pour se refaire et moi je me dis qu'un champion ne meurt jamais tant qu'il est dans la course il reste un champion n'est-ce pas ça Absa effectivement euh, comme nico comme Nico nga ko euh, dis vraiment euh, nekkatul Balla mais quand même je vais dire que euh, il est toujours champion et code de popularité c'est comme Modlo Euh, par exemple quand tu prends l'exemple de Modlo et Balla Gaye bu stade bi sold out lay lay lay donc je pense que voilà. Mhm. effectivement donc nous sommes d'accord avec ils se disent que Balaguer n'est plus un champion il doit laisser la place à son jeune frère qui est Satiès. pourquoi peut être que c'est une idée de hein, laisser la place et beaucoup coacher qui nga sont comme comme di mais xam intérêt débat sportif les débats sont ouverts et je mm. pense que c'est dans la discussion que j'ai eu la lumière donc aujourd'hui si ne sommes Gaye du champion bu leen nérer. Moi, je vois autre chose maintenant Satiès, c'est vrai parce que Sa il des armes dugg cercle des VIP ku daan rek rek war a des c'est normal. Mhm. balaguer ne va pas gêner Sa pour man beaucoup il est là pour pour def 5 ans ans après disparaître bon style style do business foofu là. toll prouver si l'âme je pense que ni actuellement à victoire hein, il est à 22 ou 23 victoires donc c'est quelque chose il a été roi des arrêts donc il dara prouver. ah combat caché bu fi de donc il va laisser la place à changer parce que Sa Thiès aussi des yek et Sa c'est ay rëg C'est seet boobu quoi qu'on puisse dire et que sommes tamit ñu gens fi nous ont fait a sóoraale mhm. donc euh, day def li muy war de après dem donc nous gêner Sa Thiès effectivement donc euh, bonjour à toi Samba Khadim nuyu j'espère que tu profites d'un bon petit déjeuner en tout cas nous Farid